fabi ne bala awodo wo beto kiron na wonno ne bele ma prochain ah non non ça parle na yimbe yaba jita na do ha inshallah ko be sababan tare mo mer ba dogo tay e ayo mo mer ba dogo tay me mo ko yada on ko mo yada on me ya mo da woni inshallah Bergo mento. to ra wonna bergu nyon le inshallah wonna kare ni nyas woni une kam sababe antale ubar bisan ba jiban kan kuke mu yara barka guta assalamu alaikum barka ka wase gandara aka watin da wo a wase gandara ka laji wo barka da gandara tonko movement bisa talaiman min tobe tin da wo ku barka abuwa da za abanna don ka waye in zibabe in do adaba don ka ya wase gandara wo merci Voilà. donc, oh, merci beaucoup. Merci. Voilà, oh, oh, Voilà, nous disons merci. La régie, voilà. Donc, les chefs traditionnels du mouvement Bessa Talema Minto qui viennent de donner, de bénir cette soirée. Voilà, nous leur disons merci infiniment. Ils nous appellent à la cohésion sociale. et nous appelle à la fraternité, nous appelle à la tolérance, et nous appelle à la solidarité de vivre ensemble. C'est-à-dire qu'à l'année 2023 nous trouve dans la santé, dans la quiétude, dans la tranquillité, surtout la paix, la paix au Burkina Faso. La paix au Burkina Faso. Merci infiniment. Voilà. Et je vous ai parlé aussi de cette soirée, la couverture des partenaires également. Donc, euh, ZAC B, ZAC B Média, voilà, ZAC B Média est là. Elle, Omar Photo est là. Voilà, pour couvrir l'événement en photo. Voilà, donc euh, ça encore, c'est un jeune frère qui est de la commune euh, de Béguédo également. Kawose Kandra Aka El Omar Bara. Voilà. abawoto sarubana wofotolo biriyom hali ete biga mai fon nyobi alai in sabawu ya ka don wo barkata uso yi mai yaba jinta wala tinni waso mo yen kaba no undwa ga danno wala uso yi kale yirwa bi anya lafi gobe na wusiya na parika lafi ki barka merci eh kogota uta susura bambe waya yele isabi wɔ wɔn apɛnya kɔbe wɔpɛ kaa wɔne wɔɔ kɔkyi no wɔpere na mmeriba na do agada yiriba bi na agye dabe sora bi na agye dabe bɛkyɛw wɔyɛ yɛm paare yɛrɛ wɔ ha wala ngwadeni kambore amadu agada wosɔn na kɔhɔ wa loge barika dɔn ka wosɛ dadara ka zakis gɛnɛ ato lato ambor dɔkɔɔ. Azere, au miroir, il Voilà, quand doit Merci beaucoup. Zakis Gene, Kawazé Gadrakao. Voilà. Régis, voilà le parrain, l'un des parrains qui va s'exprimer, voilà, pour embellir la soirée. On est ensemble, voilà. C'est ça, Zakis Gene.

zakisigɛlen wala Kaye, yɛ Zaso, wɔ wala wo mi ba yɔn poore a do a vraiment Adouada les a da merci beaucoup on applaudit donc oh, c'est le parrain voilà l'un des parrains qui vient de s'exprimer voilà il vient de